le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes en Niamey. de monsieur. bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. L'actualité de la semaine a été marquée par la célébration mercredi 24 avril de la, 24e édition de la journée de Concorde au Niger. L'actualité, c'est aussi le manque d'accord entre le gouvernement et les enseignants-chercheurs à propos du mode de désignation des responsables académique euh, des universités publiques euh, du Niger. Pour analyser euh, ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Ousenissa, journaliste indépendant. Ousenissa, bonsoir. Bonsoir. Elhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Elhaj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Rufai Dandoua, journaliste sportif. Rufai Dandoua, bonsoir. Bonsoir. Au micro, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous dans le forum de la presse que nous ouvrons par la célébration mercredi 24 avril de la journée de Concorde, marquant le 24e anniversaire de la signature des accords de paix entre les mouvements armés et le gouvernement nigérien. La cérémonie officielle de ces accords de Ouagadougou de 1995 s'est déroulée à Kintabaraden, dans la région de Tawa, car c'est là que sont partis les premier coup de feu à l'origine de la rébellion au début des années 1990. Senissa 24 ans après la signature de ces accords, quelles, sont les avancées constatées oh euh, Merci Mokta. Bon, comme vous venez de le dire, 24 ans, quand même, euh, c'est un demi-siècle à la limite. En 24 ans, un quart de siècle plutôt, hein, un quart de siècle à la limite. j'étais euh, dans l'activité quand euh, tout ça s'est passé. Il y a eu la paix. Ensuite, il y a eu dans la même région, en 2007, euh, un nouveau mouvement qui est apparu, qui a fait son temps. Et que, bon, on est aujourd'hui dans une autre situation nouvelle. C'est pas euh, une guerre classique, c'est une guerre asymétrique. C'est euh, les menaces terroristes, les menaces djihadistes auxquelles euh, nous sommes confrontés actuellement. Mais moi, je vais dire quelque chose, c'est que je n'ai pas l'impression que on est en train de vouloir véritablement consolider, comme avait dit, la paix. Parce que c'est quoi Qu'est-ce qui amène généralement les conflits dans un pays Les conflits naissent généralement souvent de l'injustice, de la mauvaise répartition des richesses entre les citoyens. La malgouvernance en est ah, ah, ah, Pour résumer, quelque part, la malgouvernance. je ne cite pas un régime particulier, pratiquement, depuis qu'on a commencé le processus démocratique aujourd'hui, quand on voit un peu tout ce qui est en train de se passer dans tous les secteurs pratiquement, c'est un recul. C'est un véritable recul qu'on est en train de vivre. Et généralement, c'est ça qui suscite des frustrations et les frustrations conduisent généralement à des situations d'impasse. Partout au monde où des choses comme ça se passent, vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui en France, vous voyez un peu ce qui s'est passé, et comment veux-je dire, en Algérie, qui continue d'ailleurs, vous voyez, voyez, un peu ce qui s'est passé, et comment vais je dire, au Soudan aussi malgré un peu, comme avait dit, c'est des chefs d'État dinosaures, on peut les qualifier ainsi. Vous voyez, quand le peuple s'est soulevé, finalement, ils se sont retrouvés dans la rue. C'est pour ça que j'ai dit, le plus important dans un pays, ce n'est pas le, le, le, côté folklore qu'il faut voir, c'est créer les conditions pour qu'effectivement, les citoyens à la base sentent qu'il y a une justice, les citoyens à la base sentent que, effectivement, leurs préoccupations sont prises en compte. Mais tant que tout ça là n'est pas pris en compte, il faut jamais exclure. Une paix n'est jamais définitive. Définitive. La paix se construit en permanence. Hein. c'est un processus. qu'on doit maintenir, en créer les conditions pour que tout le monde, en tout cas dans une société donnée, tout le monde au moins se dise que, se dise que ce qui est en train d'être fait, je trouve mon compte dedans. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ça crée toujours des frustrations, ça va amener déjà à se marginaliser et au besoin à prendre des armes pour dire non, nous ne sommes pas d'accord et revendiquer à travers, comme avait dire, euh, le recours à la violence. Est-ce qu'il n'y a pas des voies euh, plus démocratiques de revendiquer que de prendre des armes Non, le problème qui se pose le plus souvent, c'est que de l'autre côté, ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas toujours qu'ils sont disponibles au dialogue. C'est-à-dire, les gens se mettent dans une posture où je suis au pouvoir, c'est moi qui tiens les rênes, je décide d'imposer aux citoyens, alors que dans un contexte démocratique, on doit pouvoir écouter voir ce qu'on peut régler. À travers l'écoute, à travers le dialogue, on peut régler beaucoup de problèmes. Mais quand on refuse systématiquement en considérant que je suis en position de pouvoir, j'ai la force publique avec moi, je peux mater ceux qui veulent résister, à ce moment, inévitablement, il y, a, toujours des choses comme ça. Et partout où ça se passe, c'est comme ça. En tout cas, c'est les injustices sociales, c'est un peu, euh, comment je dire, euh, l'insatisfaction, l'insatisfaction des besoins, les plus souvent, les, les, les besoins élémentaires des populations. C'est ça qui pousse les gens à se mettre hors de l'État pour pouvoir combattre l'État. L'âge Mohamedou Souleymane, le gouvernement nigérien a également signé des accords de paix à Alger avec euh, le Front de l'Union des forces de la résistance armée le 23 novembre 1997 et à N'Djamena avec le Front démocratique pour le renouveau le 21 août 1998. Euh, quels sont euh, pour vous les acquis à capitaliser De mon point de vue, ces accords de paix, on pourrait dire que franchement, euh, ont un impact euh, euh, en ce qui concerne la rébellion Touareg, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Cette rébellion a été dénommée rébellion Touareg. Mais du côté de Difa, il y, a eu aussi une rébellion. Justement, dans tous les cas, c'est ces hmm. rébellions Difa, Zender, qui concernait vraiment des identités en tout cas nationales. Comme aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont, estompées. Et mieux d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'anciens leaders euh, de ce mouvement sont transformés en démocrates. Aujourd'hui, quand vous regardez dans, certaines zones, les élus, les fonctions, aux fonctions des maires, des conseillers locaux, c'est vraiment des, anciens donc, euh, animateurs de, la, de, la, rébellion. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que, franchement, c'est une. Euh, les ont été enregistrées. Euh, absolument, absolument, parce que lorsqu'on voit aujourd'hui les anciens rebelles euh, euh, transformés en démocrates, c'est quand même assez. Démocrate entre, guillemets. Bon, bref, c'est-à-dire qu'en tout cas, ces accords, en tout cas, quoi qu'on dise, ils ont eu leur impact et je pense que ça a permis donc de régler ces questions. Maintenant, le phénomène, effectivement euh, bien, c'est justement un autre phénomène. Le banditisme euh, euh, résiduel Non, plus que ça, le terrorisme en tout cas, qui aujourd'hui, c'est des gens qui ont un autre mode opératoire, en tout cas, pour se faire entendre qui terrorisent les gens, qui viennent enlever l'argent justement pour, pour le monnayer, avec, avec de l'argent, ou qui attaquent vraiment sans raison euh, disons, dans une logique franchement irrationnelle. Euh, donc euh, aujourd'hui, je pense que euh, l'aspect doit être focalisé effectivement à combattre. Et c'est en cela que je suis d'accord avec lui, améliorer la gouvernance dans, Démocratique. Tous, tous ces hein. aspects. Parce qu'effectivement, comme il le dit, l'injustice, la, frustration créent effectivement des, de, de, de, de rébellions, créent en tout cas des gens en tendance à recourir à d'autres idéologies pour se réaliser. Donc je pense que la question de gouvernance, effectivement, c'est une réalité. Et ce qui n'a pas été réglé, euh, je veux dire, euh, par la, par, la force, par d'autres moyens, euh, je le pense qu'à long terme, c'est la gouvernance qu'il faut, revoir. Faut, effectivement. Lorsque véritablement il y a des inégalités dans certaines régions, il va falloir effectivement que l'État central vraiment mette les moyens, en tout cas pour que les populations puissent, en tout cas, euh, dans des conditions vraiment de rêver, en tout cas, de des existentielle Par exemple, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une réalité dans nos pays. Euh, la question, par exemple, d'accès à l'eau. Il y a récemment, moi j'étais à l'intérieur du pays, quand vous voyez des gens toute la nuit, les femmes en, en train de chercher euh, seulement à avoir de l'eau, même pas à dormir, les gens. Je pense que tout ça, c'est des questions véritablement qu'il va falloir euh, prendre en compte. Et bon, ça, c'est vraiment dans le lendemain parce que aussi, euh, l'État, c'est moins c'est limité, mais il va falloir en tout cas faire des priorités sur d'abord, euh, comme on dit, les secteurs de base. Parce que lorsqu'il n'y a pas de l'eau, aujourd'hui, les politiques publiques qui sont conçues dans le sens, par exemple, de maintenir les filles à l'école, ou bien même les, parce qu'aujourd'hui, au village, lorsque dans un village qui n'a pas d'eau, la priorité, ce n'est pas le matin aller à l'école. La priorité pour les parents, c'est l'enfant doit aller chercher de l'eau. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est un calvaire. Il y, a aussi la lutte contre la pauvreté, absolument, le chômage des jeunes. Absolument, le chômage des jeunes. Donc, bref, je pense que le maître mot, c'est vraiment, euh, en tout cas, améliorer la gouvernance euh, dans tous ses aspects, en tout cas, de sorte que, comme il l'a dit, la redistribution, en tout cas, des richesses euh, nationales que effectivement les gens puissent euh, véritablement profiter, euh, vraiment avoir le minimum vital. Donc, bref, euh, je pense qu'il faut saluer donc ces, accords. En tout cas, on se rend compte que quel que soit donc le conflit, ça va finir justement par un accord. Je sais qu'au début, effectivement, il y a des gens qui étaient qui, qui s'étaient offusqués euh, de ne pas discuter avec, euh, négocier avec les, rebelles. Mais je pense qu'à l'épreuve des faits, euh, l'histoire en tout cas a donné la raison à ceux-là qui ont initié ces accords. En tout cas, de mon point de vue, ça a porté fruit, franchement. Malgré ces accords en 2007, l'on a vu la naissance du mouvement des Nigériens pour la justice, le MNJ, une autre rébellion qui a fait des victimes. Euh, comment l'expliquer euh, Cela voulait-il dire que des points des accords de 1995 n'avaient pas été respectés euh, Merci Mokhtar. Moi, déjà, je pense que rien, rien ne justifie à une communauté ou à une euh, partie de, de la population d'un pays de prendre les armes contre l'autorité de Pour revendiquer quoi pour que revendiquer ce soit. quoi que ce soit. Si c'est pour parler des injustices, toutes les couches de la société subissent des injustices à un moment de l'histoire. Lorsque vous voyez ce genre de choses apparaître, c'est que quelque part, il y a ce qu'on appelle entre griffes la faillite de l'État. À l'époque, c'était le cas et les mouvements avaient profité de l'avènement de la démocratie pour, euh, parce qu'il y avait quelque part des, défaillances, quelque part l'État n'était pas si fort qu'il le fallait. Maintenant, ils avaient pris les armes soit c'était ainsi. Maintenant, il y avait eu les accords de paix de 1995, le 24 avril. À l'époque, c'était, je pense qu'à l'époque, on peut dire que c'était bien parce que ça avait arrêté les, les des armes. Mais le problème, là où je vais revenir à votre question, lorsque eh, une partie prend les armes et que les autres se rendent compte qu'il y avait un, accord, donc la partie qui a pris les armes a eu quelques, quelques avancées, quelques eh, choses de ce qu'ils ont revendiqué, c'est normal qu'une autre aussi se dise, OK, comme c'est le cas, on a fait avec une autre partie, moi-même je vais prendre. Donc c'est pour ça que eh, c'était des conséquences incalculables pour le pays et maintenant d'autres euh, aussi entités de la population prennent les armes. Moi, je pense que aucune euh, raison ne doit pousser un peuple, c'est parce que quelque part on leur a permis de le faire, parce qu'ils pensent être euh, entre griffes supérieures aux autres. Je pense que c'était déjà une mauvaise chose. Aujourd'hui, maintenant, pour, revenir à la fête de, cette fête de la Concorde, je pense que et moi, pour moi, ces accords-là, vraiment, euh, doivent être caduques. Pourquoi caduques Parce que quelque part, il n'y a plus cette rébellion dans le nord du pays. L'histoire reste, l'histoire reste. Oui, il y a des bandits armés peut-être quelque part. Sinon, si c'est le cas aujourd'hui encore dans d'autres contrées du pays, d'autres peuvent prendre les armes si c'est pour parler des injustices sociales. Je pense que aujourd'hui, au 21e siècle, les armes ne doivent plus être les moyens de revendication. Lorsque vous avez des revendications à mener, il faut les faire de manière par le dialogue, par les contestations dans, la, dans, les rues. On a vu le cas et Hussein l'a rappelé en France, ça fait bien de semaines Plusieurs semaines que ça, que ça se passe. Les Gilets jaunes, hier, on a vu leur président qui était sorti en appelant les gens à la responsabilité. <coughs> Vous pouvez contester, parce que c'est un droit constitutionnel. On a vu en Algérie, les gens sont en train de faire partir le régime de Bouteflika vieux de, plusieurs années. On a vu au Soudan. Avec le temps, les gens sont en train de se rendre compte que les armes ne, ne résolvent pas les situations. Lorsque les gens pensent toujours que les gens doivent résoudre leurs euh, problèmes par les gens, c'est que quelque part, ils sont limités intellectuellement. Et je pense qu'à l'époque, c'était ça. Ou bien les gens ont été poussés pour mettre l'État à mal, ou bien ils étaient limités intellectuellement et ils pensaient que seuls par les on pouvait avoir euh, gain de cause. Moi, je pense aujourd'hui, la concorde, ce n'est pas euh, cette concorde de 1995, c'est la concorde entre les fils euh, du pays. Parce qu'aujourd'hui, la société nigérienne, quoi qu'on dise, elle est, divisée. Et c'est malheureusement, c'est du fait de la démocratie qui est censée être le remède. le, remède à tous ces problèmes. Mais malheureusement, c'est la démocratie aujourd'hui qui divise la population du Niger. Hussein Nissa, quelles sont les conséquences euh, de ces différentes rébellions pour le Niger oh, Mais les conséquences, les conséquences de cette rébellion, c'est que c'est des conséquences qui sont derrière nous. C'est des conséquences qui ont été vécues. Il y a eu des morts, aussi bien parmi les populations civiles que parmi les éléments des forces de défense et de sécurité. la zone était pratiquement asphyxiés sur le plan économique euh, durant toute la période de la rébellion. Il y a eu des, des, civils qui ont perdu leurs biens, il y a des maisons qui ont été incendiées un peu. Je vais parler dans la région de Difa, avec la, la rébellion de, du FDR, je crois, euh, oui. Bon, c'est ça les véritables conséquences. Maintenant, la région d'Agadez a repris. Il n'y a pas euh, tellement de menaces. Tout ce qu'on peut considérer comme menace aujourd'hui dans cette zone, c'est les banditisme armés qui existent même à Niamey, qui existent un peu partout dans le pays. En tout cas, il n'y a pas une localité de ce pays-là, en tout cas une région de ce pays qui n'est pas affectée par le banditisme armé. Ça, c'est les conséquences. Bon, maintenant, c'est quoi, et comment dirais-je, la solution Je l'ai dit. cest à c'est une question de. pour pouvoir régler de manière durable. Parce que moi, moi, moi je suis contre le folklore. Je suis contre le, folklore. C'est-à-dire le folklore, on attend le jour où le jour l'événement a été, on a décrété. On vient, on fait des manifestations grandioses pour montrer qu'on est tous d'accord pour la paix. mais on sait qu'est-ce qui amène les conflits. Il faut travailler plus sur ce terrain-là. Et c'est un travail permanent. C'est-à-dire créer les conditions de justice sociale, créer les conditions de répartition équitable, des, richesses les conditions. On a signé les accords de paix. Et on sait pourquoi, à l'époque, euh, comme on avait dit, la rébellion Touareg, les, éléments rebelles Touareg avaient pris les armes parce qu'ils considéraient qu'ils ils, ils ne profitaient pas de l'uranium qui était exploité dans leur région. Et ils étaient le plus exposés aux, ah, radiations. et autres, aux menaces, euh, comment on dire, euh, générées aux menaces liés à l'exploitation là. Ils avaient perdu leur terre de pâturage, ils avaient perdu. Mais aujourd'hui encore, la situation reste en l'état. Qu'est-ce qui a changé Selon vous, euh, avancées, il n'y a, pas. Non, non, je veux dire non, non, mais qu'est-ce qu'elle a avancé Quelle avancée La mise en valeur euh, comment de la vallée de l'Iazel, on est là toujours dans l'attente. La voie d'Agadez, la route menant à Agadez, de Tawa, voilà, de Tawa, la route est dans quel état Un état piteux. Mais ceux qui ont exploité, et aujourd'hui, on nous fait croire que l'uranum ne représente plus rien. C'est ça qui est dramatique, euh, parce que c'est une ressource, c'est une ressource épuisable. On est pratiquement en train d'épuiser cette ressource-là, parce que je crois qu'il y a même une mine qui est sur le point de fermer. Je plus, c'est la mine de, Cominac. ou de Cominac, je crois, mhm. qui est sur le point de fermer. Ils ont exploité, on crée les conditions de paupérisation des populations, Maintenant, on ne sait pas comment ça va devenir par la suite, parce que moi, quand je rencontre souvent des, autorités de la région d'Alit, euh, notamment le maire que je connais très bien, on me parle de l'après-mine, comment régénérer la, région. Mais c'est compliqué, parce que ceux qui ont exploité, qui ont pris la richesse là, c'est normalement à eux. Et il faut créer les conditions dès à présent qu'ils commencent à faire le travail nécessaire pour pouvoir permettre aux populations, parce que vous savez que Alit a été créé de toutes pièces. C'est les mines là qui C'est une ville minière. Voilà, c'est les villes là qui ont créé C'est les, les, les, sites miniers là qui ont créé pour, pour, ajouter à tout ça mhm. rapidement, c'est la preuve que les revendications euh, de l'époque étaient, étaient fausses. Si, on fait des analyses, parce qu'aujourd'hui, ceux qui étaient à la base de, la, de cette rébellion ont eu ce qu'ils veulent. Ils ont délaissé les, la, région à, à, son sort. Parce que, euh, comme l'a dit Hussein, euh, pas grand-chose n'a évolué. Maintenant, pour... il y a eu le processus de communalisation. Bah, oui, oui, ça, ça c'est avec euh, la, décentralisation. La, la décentralisation et la déconcentration. Mais pour revenir à la question, à la question il y a aussi des combattants qui ont été euh, euh, intégrés dans C'est ça, c'est là où j'allais venir les conséquences. Si on avait fait des analyses poussées, des études poussées, on allait se rendre compte que ça, c'est des conséquences graves sur eh, l'économie du Niger. Pourquoi On a pris des gens qui n'avaient aucune expérience, qui n'avaient aucune qualité et on les a injectés dans la fonction publique, dans l'armée nigérienne, les gens qui ne qui n'avaient aucune qualité. Vous voyez des gens qui ont été réinsérés ou réintégrés pour juste calmer les choses, qui ne, qui ne pouvaient même pas lire et le nom de, de, quelqu'un. Eh, mais si c'est pour promouvoir la paix, il euh, n'y a, y a, pas. Euh, y a... Vous, vous, avez parlé de conséquences, et ça, je pense que ce sont des conséquences incalculables qu'on n'a pas quantifiées sur l'économie du Niger et qui sont en train de freiner beaucoup de choses au Niger. Si on a, on a fait ces études, je suis sûr que dans des pays avancés, ils auraient fait ces, ces, ces études et ils auraient compris que ça, ça a été un frein et c'est vrai, c'est au prix de la paix, mais il y a des conséquences graves sur l'économie du pays. Euh, euh Alagé Mahamadou Suleiman, pensez-vous que le dispositif institutionnel tel que la haute autorité à la consolidation de la paix euh, permet d'éviter euh, d'autres mécontentements En tout cas, aujourd'hui, au niveau de cette institution, ils sont en train de faire une approche. Euh, avec des projets de développement, en tout cas, pour permettre aux gens, à travers le dialogue, euh, de discuter de leurs problèmes et envisager avec euh, des partenaires techniques et financiers l'appui qu'il faut. je pense que c'est une très bonne chose, comme l'a dit Rufai, justement, quelle que soit la situation, ce qu'on n'a pas pu régler avec le dialogue et la réflexion, les discussions, on ne peut le avec les armes. Ça, on, ne peut, qu'aggraver, retarder le, développement, en tout cas en, tant que tel. Et je pense que quelque part, euh, je dois dire que, contrairement à ce que dit euh, tantôt Rufai, que euh, ceux qui, ceux qui, en tout cas, ont encore en mémoire cette, page noire, ce tableau noir de, notre pays, je pense que ce qui avait prévalu, c'est la politique, à savoir que la paix n'a pas de prix on a vécu des situations franchement inacceptables parce que la terreur était telle que, euh, vous voyez, lorsqu'on a commencé à faire ces, escortes, euh, c'est-à-dire qu'on on, prend un bus, franchement euh, franchement parlant, c'était au moins intenable. Et je pense que si le politique avait accepté justement de faire cet accord c'était véritablement pour préserver l'essentiel. À savoir que souvent, il y a bien des de, de, de raisons de ne pas faire l'accord, mais on pense que la paix c'est essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je dis que, vous voulez dire que le sacrifice ne sera pas de trop pour mais promouvoir en fait, aujourd'hui, c'est que je suis en train de penser euh, que là où il dit que cela c'était des forces de Mmh, <laughs> Donc, ces gens ont compris, en tout cas, en termes de stratégie aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à travers donc leur euh, cadre, à travers donc euh, l'État, donc sur leur position ils sont membres du gouvernement, ils sont euh, membres, en tout cas, donc euh, dirigeants. Donc, ils sont en train de réfléchir comment. C'est ça, je, pense que mieux, vaut effectivement chercher à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, il me paraît évident que, de manière concertée, les cadres de la région peuvent bel et bien, en tout cas, euh, formuler des revendications à l'endroit des partenaires, en tout cas ceux-là qui sont en train donc, de polluer la région, pour que dès maintenant, en tout cas, les obliger en tout cas à par le biais justement de l'appui de, de l'État, parce qu'avant tout, c'est aussi l'État qui est le partenaire de ces sociétés comme... Euh, Dans le cadre euh, purement ah, démocratique. Absolument, parce que c'est maintenant qu'il faut penser, comme l'a dit euh, Hussein Issa, c'est maintenant qu'il faut penser aux générations futures, c'est maintenant qu'il va falloir effectivement formuler, créer, montrer en tout cas les conséquences qu'il faut payer effectivement. C'est eux qui doivent payer justement la, facture. Donc, bref, moi je pense que pour l'histoire, je retiens en tout cas de ces accords, en tout cas une recette pour d'autres d'autres pays qui peuvent s'inspirer. Mais ce que le plus important, euh, nous retenons que véritablement, on peut, on peut déposer les armes et effectivement faire avancer les revendications autrement à travers donc, euh, le dialogue et la discussion. Et c'est pourquoi justement le, Haut Conseil, en tout cas pour la gestion de la, de, de, de, la paix, en tout cas, fait, la haute autorité fait vraiment du bon boulot. Je pense qu'il faut encourager et renforcer cette institution. Rufai Dandoua, promouvoir la paix et la stabilité est un défi permanent. Pensez-vous qu'il existe un cadre de dialogue régulier qui permet d'éviter tout risque de réveiller les vieux démons Je pense que c'est comme eh, les uns et les autres l'avaient dit, c'est en essayant de, minimiser les injustices sociales. Aussi longtemps qu'il y aura des injustices sociales, ça va eh, engendrer des revendications et ça ne va pas être que euh, comme la première euh, rébellion, ça va être de toutes les couches de la population et euh, conséquence aujourd'hui les gens ne prennent pas les armes, c'est là où les, les, les, gens ont évolué, on ne prend plus les armes, on sort dans les rues, on manifeste et même si à un moment les gens ont peur, les injustices amènent les gens à l'extrême. Et lorsque les gens arrivent à l'extrême, vous avez vu, on euh, le cas s'était produit au Burkina Faso déjà avec Blaise Campaoré. Les gens avaient peur au Burkina malgré la, la, révolution de, de, de, Sankara, mais lorsqu'ils avaient, ils en avaient marre, ils ont dit stop. Ils étaient sortis. Vous avez vu à l'époque des, des enfants qui avaient des t-shirts où ils disaient tirer sur nous les gens ont commencé à tirer. Mais lorsque vous voyez qu'il y a un, deux, trois, quatre morts, c'est fini. Même les militaires qui sont censés ou qui pas censés ou qui, qui, protègent les autorités, à un moment, ils disent stop, on arrête et on, se range du côté du peuple. Aujourd'hui, ce n'est plus comme dans les années 1990. Aujourd'hui, les revendications se, font de manière trop civilisée, de manière très démocratique pour faire en sorte que eh, les autorités reculent et ça a fait école partout en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur, ils, ils sont conscients de ce qu'ils font, ils sont aguerris, ils voient tout, ils comprennent tout, on ne peut plus les duper. Sur tout un autre chapitre, les recteurs et les vice-recteurs des universités publiques du Niger seront désormais nommés par décret pris en Conseil des ministres, conformément au souhait du gouvernement. Euh, c'est par 135 voix pour, 28 contre et 2 abstentions que les députés du Niger ont voté ce texte transmis par le gouvernement la semaine dernière à Niamey. En grève depuis plus de deux mois, les enseignants-chercheurs des universités du Niger poursuivent la grève car il ils estiment que ce texte du gouvernement est anticonstitutionnel. Écoutons à ce sujet Fatima Meyaki, secrétaire générale adjointe euh, du syndicat des enseignants-chercheurs ISNEX, au micro de Ternan Foudé Ahmed. Notre réaction, c'est de déplorer le manque de vision de nos députés. Quand des députés de la République acceptent de voter la contre-démocratie, on est à mesure de se demander, mais qu'est-ce qu'ils préparent pour le Niger Déjà, la loi adoptée, elle est anticonstitutionnelle en retouchant les articles 3 et 4 de l'ordonnance 2010-77 sans avoir au préalable eu recours au même conseil des ministres qui a envoyé le projet à l'Assemblée. C'est déjà un vice de procédure, ce qui rend inconstitutionnel le vote des députés. Quel combat judiciaire allez-vous faire sur le terrain Ce qu'on va faire, on va le dévoiler dans les prochains jours. Mais il faut et déjà que les députés sachent que nous savons ce qui se passe. Qu'est-ce que vous comptez faire Le mot ne sera pas levé, il est maintenu jusqu'à ce que le gouvernement soit en mesure de nous écouter. Elage Mohamed Souleyman, votre commentaire après avoir écouté la secrétaire générale adjointe du syndicat des enseignants-chercheurs du SINEX. Bon, c'est un syndicat. Le syndicalisme, par principe, c'est la défense des intérêts matériels et moraux euh, de, ses militants. Elle est dans cette logique, mais quelque part, je pense que le SINEX dit qu'il est disposé au, dialogue, même si, par ailleurs, on pourrait dire que c'est un peu tard parce qu'ils ont brillé par, euh, en tout cas, un jusqu'au boutisme euh, dans la façon de, de, de, de lutte. C'est des, grèves. Euh, moi, j'ai échangé avec quelques, anciens chercheurs, par exemple, et un qui me dit ce qu'il regrette aujourd'hui, c'est que le Sénex n'a pas essayé de venir dialoguer parce que si même ils, ont, ils étaient venus sur la table de, discussion, euh, la loi, ils allaient, il, allait, influencer, il allait en tout cas faire prévaloir, mettre en avant euh, un certain nombre de, de, leurs euh, avantages, de leurs droits, mais en laissant faire le gouvernement, sachant que. le gouvernement... comment le SNES peut-il dialoguer alors que le gouvernement ne les a pas appelés Si, je pense qu'ils étaient, ils étaient quand même en, dialogue. Dans tous les cas, ici, la, question essentielle, hein, faut-il nommer ou, ou élire. Moi, je pense que c'est un faux débat. Qu'il soit nommé ou, ou, élu, le plus important, c'est le contenu et les moyens à lui à l'université. Ailleurs, on a eu des universités où les gens sont nommés, mais l'exemple, par exemple, l'université de, de Dakar, ils sont, ils sont nommés. Et dans tous les cas, ceux qui vont être nommés, c'est des anciens chercheurs proposés par leurs pères, qui sont habilités, en tout cas ceux qui ont la compétence d'être nommés. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui, qui va être nommé à leur place. Maintenant, par exemple, l'argument du pouvoir, c'est que euh, pour eux, les les, sont plus enclins à satisfaire donc, les désirs de leurs militants que de faire euh, le vrai travail. Donc, euh, ce qui fait que pour le pouvoir, il faut donc nommer pour tout simplement assurer la, en tout cas la peinture de la, politique de l'enseignement supérieur. Bref, c'est un débat qui est là. Mais le plus important, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi, quand vous regardez, la première victime, victime c'est les étudiants. Il y a aujourd'hui des, des, étudiants à l'Université de Niamey qui sont là au premier cycle euh, durant des années. Il y a des étudiants qui sont bloqués. Il y a aussi une certaine complaisance des enseignants qu'ils ne font plus leur, boulot. Lorsque des enseignants n'arrivent pas à, en fait, à assurer leur minimum, parce qu'en fait, comme l'a dit quelqu'un, c'est aussi avec eux on a ces informations. Il y a des enseignants aujourd'hui euh, qui, euh, vraiment, franchement, dans la, dans la réalité, ils font trop, trop de, mal aux, aux, étudiants. aux, pays. Parce que j'ai suivi, moi, suivi, moi, c'est pas par, je veux dire, nous sommes, on est passé euh, justement de, de l'autre côté, mais je n'ai pas aimé que, par exemple, d'entendre le, le SG du syndicat des anciens chercheurs menacé des, parents d'étudiants que si vos enfants directs ne viennent pas chez nous, il y a, en tout cas vos neveux qui vont. Aujourd'hui, je dis que un ancien chercheur qui a l'idée vraiment de faire mal à un étudiant, il n'a rien compris de, sa vocation. Bref, euh, moi je pense que vraiment pour faire, euh, pour faire court, le vrai débat, ce n'est pas nommer ou élire, mais le vrai débat, c'est que les enseignants, chercheurs, en tout cas, puissent assumer. Partout, en réalité, la vraie question, ils vont vous le dire, hein, il n'y a pas d'évaluation des enseignants à l'université de Niamey. Parce qu'aujourd'hui, ces gens sont dans une, situation où, en fait, ils ont, il un, un, aller Et je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Il faudrait qu'effectivement, qu'ils les rendent compte, qu'ils prennent un salaire à la fin du mois. Donc moi, ici, j'ai dit, euh, il faut mettre en avant l'intérêt général. Il faut voir le pays. Rufai Dandoua, le ministre de l'Enseignement supérieur, était samedi face aux députés pour répondre aux questions d'un groupe de députés sur la crise euh, qui traverse les universités publiques du Niger. Euh, comment expliquer la poursuite de la grève après l'adoption de la loi Moi, je pense que c'est honteux la manière de lutte des enseignants-chercheurs. Et quelque part, je pense que ça a été tard cette, euh, euh, ce vote des députés à l'Assemblée nationale. Et quelque part, je pense aussi que c'est justice, justice qui a été rendue pour, pour, pour les, les, étudiants. Vous rappelez-vous de ce qu'ils L'année dernière L'année dernière, avec l'exclusion de 5... Euh, l'exclusion de, de, ces, de, de, juste parce que, quelque part, il y avait eu des menaces verbales et à, à, l'encontre d'un de, leurs militants. Et, voilà, ils, se sont, et, ils ont crié sur tous les toits contre leurs frères et leurs enfants. Quelque part, je pense que c'est justice qui a été rendue. Et là où je, où je dis aussi que c'est honteux leur manière de lutter, c'est que en, parlant comme ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils remettent en cause même la crédibilité, le professionnalisme et les sérieux de ceux qui sont censés être nommés recteurs à l'université de Niamey. Dans tous les cas, qu'ils soient nommés ou pas, est-ce qu'on a une fois entendu l'université de Niamey s'opposer contre une loi ou quelque chose dans ce pays alors qu'ils étaient élus par leur père est-ce qu'on a une fois entendu un recteur à l'université de Niamey s'insurger contre des mesures prises par un gouvernement au Niger depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à aujourd'hui Comme on a l'habitude de le voir ailleurs dans d'autres pays, dans d'autres universités sérieuses, qu'est-ce qu'ils savent faire les, anciens chercheurs C'est juste d'être méchants vis-à-vis de, leurs eh, étudiants. Mais ils font, quand même des recherches. Hein. Ils donnent des cours personne ne voit les recherches. Les recherches, on les publie dans les, dans, dans, dans, les, dans les, dans les, ouvrages, et euh, partout, pas ici, pas, pas, pas même en Europe ou aux États-Unis, même ici en Afrique. Un, deux, les cours dont vous parlez, ils ne les livrent pas. Nous, on a, fait, on a, on a été tous à l'université à un moment de l'histoire. On sait comment ça se passe. Où l'enseignant ne vient pratiquement pas, ou bien sur 4 heures de cours ou 3 heures de cours, il fait à peine une heure de temps, il s'en va. Mais à travers un dialogue autour, oh, oh, cela oh, oui, peut, pour vous dire, euh, peut, être amélioré. Ou, bien l'enseignant, il vient, quand vous venez à, l'université, vous prenez des polycopes, vous euh, photocopier. Euh, et c'est fini. Sur les mêmes cours qui n'évolue pas, des enseignants qui n'évoluent pas, des enseignants qui ne cherchent pas à progresser, ou bien même s'ils ont progressé, c'est pour eux seulement, mais pas pour l'État. Moi, je pense que nommer ou élire un, enseignant, un, recteur, ne change rien dans, le processus d'évolution de l'université. Au contraire, au contraire, ils doivent se dire, moi je pense que la seule chose qu'ils doivent se dire, c'est de dire, OK, la loi a été votée, maintenant, et comme on le fait quand on, nomme un Premier ministre, on, propose trois noms on propose trois, trois, trois noms ou quatre noms ou cinq noms. Le gouvernement Dans tous les cas, tous les anciens chercheurs, d'où qu'ils soient au Niger, sont de tel ou tel parti politique. Ils sont tous nommés conseillers quelque part. Conséquence, ils n'enseignent même pas à l'université de Niamey. C'est eux qui sont tous dans les instituts ici à Niamey. Il faut qu'il y ait des gens qui leur disent la vérité dans ce pays. Ils se sont pris pour un État dans un <coughs> État dans ce pays. Personne ne leur dit la vérité. Aujourd'hui, mais, ils ont quand même euh, le statut autonome. L'université a un statut autonome. Tout le monde a un statut autonome maintenant au Niger. J'ai même entendu d'autres syndicats qui, veulent qu'on leur... Finalement, tout le monde va avoir. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui leur disent la vérité dans ce pays. Il faut qu'il y ait... C'est pour ça, quelque part, qu'on dit qu'il y a des, des, des, des, ministres ou des premiers ministres qui sont impopulaires parce qu'ils savent prendre les décisions impopulaires, parce qu'ils savent frapper la euh, euh, du poing sur la table. Mais c'est ça qu'on ne fait pas. Il faut qu'on le fasse aux enseignants-chercheurs. Dès qu'on les touche, ils s'élèvent, ils crient sur tous les toits, alors que quand on les avait Appelés à négocier pour ramener les cinq étudiants qu'ils avaient chassés. Ils ont dit niet, sinon ils le feront plus court ce ne sont pas, sont pas des dieux sur terre. Il faut qu'on arrête. Il faut, euh, euh, ce n'est pas seulement les autorités qui ne veulent pas l'avancée de l'éducation au Niger. Quelque part, on voit que même les anciens chercheurs ne le veulent pas. Ousenissa, cette crise entame son troisième mois euh, qui, qui, et ce qui risque de compromettre l'année académique. Existe-t-il des voies de sortie oh, Il faut d'abord dire d'emblée que l'année est compromise. En tout cas, euh, je, Je veux, dire, qu'est-ce qui reste de l'année Qu'est-ce qui reste On est au mois de mai. Le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Bon, dans tous les cas, ça fait des années que l'université, on ne sait même pas à quel moment ça, ça débute, à quel moment ça. Ça, ça finit. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, j'ai entendu les arguments du gouvernement par rapport au mode de désignation des recteurs et de leurs adjoints. Moi, je dis non. Vraiment, il faut s'occuper des faux fuyants. Toutes ces dernières années, toutes ces dernières, mois, je suis rentré à l'université sous le, sous le règne Toutes ces dernières années, c'est parce que tout simplement, les moyens conséquents ne sont pas mis. Les bourses ne sont pas payées. Les, les études, les enseignants-chercheurs se retrouvent dans une situation où eux-mêmes les salaires. Il faut attendre 55 jours, voire deux mois, pour percevoir le salaire. Moi, j'ai dit le véritable problème réside à ce niveau. Ce n'est pas une question d'élection ou de désignation. Quand le gouvernement dit, par exemple, qu'il n'a pas d'emprise sur un peu le cursus et tout et tout, j'ai dit c'est un faux fuyant. Ce n'est pas au gouvernement. L'université, c'est une entité autonome. On a créé les universités à tout de bras. L'université, c'est une institution lourde. Partout au monde, c'est une institution lourde. Ce n'est pas créé pour créer. Quand on crée, on doit pouvoir mettre les moyens pour que effectivement l'université soit opérationnelle. Aujourd'hui, il y a plein d'universités dans ce pays-là qui ne sont pas encore opérationnelles parce que tout simplement, même les locaux, il n'y en a pas. Il faut regarder les choses en face. Ce qu'on peut faire, on fait. Ce qu'on ne peut pas faire, on diffère. Pour pouvoir attendre quand les moyens vont se réunir, quand les conditions vont se réunir, à ce moment, on peut créer. Mais moi, dès le départ, j'ai dit, en créant à tout de bras des universités, dans, tous les chefs de, région. Renforçons d'abord ce que nous avons. Renforçons d'abord ce que nous avons. Et aujourd'hui, et, ce qu'il faut craindre, c'est qu'il faut redouter que par cette pratique ou cette volonté de vouloir nommer les responsables, c'est que l'institution ne soit aussi inféodée aux politiques. Mais elle a toujours Non, non, je, Non, voulais non, non, attendez, attendez qu'il finisse, vous aurez la parole. Au moins, vous aurez la, la, parole. Oui, mais justement, c'est arrivé quand C'est arrivé quand Aujourd'hui, quand vous entrez dans les cabinets ministériels, quand vous rentrez dans les institutions, c'est des anciens chercheurs que vous trouvez comme conseillers en ceci ou cela. Mais qui a créé ça Dans quel contexte cela a été créé l'enseignant n'a même pas le temps d'aller parce que tout simplement, il considère qu'en allant au niveau du cabinet, ce qu'il peut gagner, ça vient en complément à son salaire qu'il a à la fin du mois. Et c'est ça qui est dramatique dans un pays, parce que euh, l'élève vient ou l'étudiant vient, il n'a pas d'enseignant. Alors qu'à l'époque, quand tu viens, vous avez cours de telle heure à telle heure avec tel enseignant, vous allez trouver l'enseignant disponible, vous allez prendre ce cours-là et, s'il y comme avait des TD ou autres, vous allez les faire. Avec l'enseignant, il y a les évaluations normales. Mais malheureusement, depuis qu'on est dans le système démocratique, tout ça là, ça a complètement basculé. Parce que tous ceux qui sont en train de s'agiter aujourd'hui au niveau politique pour dire voilà, voilà notre orientation, notre vision. Mais je dis, la question de vision là, la question de vision, il revient au niveau, comment avait des canards de voir qu'est-ce qu'on veut faire des universités nigériennes. Qu'est-ce qu'on veut faire Parce que souvent, quand j'entends les gens dire non, la, formation n'est pas adaptée aux, aux, aux besoins. Mais qu'est-ce qui a réfléchi à quoi Maintenant, dans quel sens il faut orienter cette formation-là Est-ce que ce travail-là est en train d'être fait Malheureusement, ce n'est pas le cas. On est tombé dans le système LMD. LMD, les mêmes enseignants-là, on peut, comme on avait dit, recenser ceux qui ont. Parce que LMD, c'est un système anglophone. C'est un système de formation anglophone, ce n'est pas francophone. On est venu, on a plaqué ça ici. Alors que même ceux qui doivent enseigner... ça, nécessite beaucoup de moyens. Mais, ça nécessite évidemment euh, beaucoup de euh, C'est là, où la lutte des, anciens chercheurs n'est pas cohérente et conséquente. oui, lorsqu'on les prenait tous un à un pour les nommer conseillers, pour les nommer euh, mm. conseillers à la présidence, pour les nommer conseillers au, ministère, pour, les nommer directeurs de cabinet, ils n'ont jamais dit non. À aucun moment, ils n'ont dit... S'ils étaient conséquents, qu'ils auraient déjà agi à l'époque pour dire non, le danger est en train de nous guetter. Mais ils n'ont pas vu venir ça. Pourquoi Parce que c'était encore un moyen de s'enrichir. Parce que tous, tant qu'ils sont, ils sont de, tel ou tel bord politique. Aujourd'hui, comme le dit Hausawa Al-Kalami Abouchi, maintenant ils pensent que c'est fini, cette lutte-là ne va plus mener, elle ne va mener à, à, rien, ils ont intérêt à retourner à l'école. C'est la seule université au monde où on fait 9 mois, 12 mois, une année universelle. Alors que ailleurs. Deux, ans, deux ans. <laughs> deux ans, life stage. <laughs> Oui, ailleurs, oui, ailleurs c'est six mois, tu passes à l'autre année. Ce n'est pas le cas au Niger. Il faut qu'on arrête. Et quand, il a parlé de, quand on s'est parlé de LMD, oui, rapidement en 30 secondes. C'est vrai, c'est un système anglo-saxon. Mais en France, maintenant, on fait LMD. Ça, ce n'est pas un problème. Il faut un intelligent, c'est quoi C'est quelqu'un qui sait s'adapter. Ça veut dire que même les anciens ne sont pas des intelligents. Euh, Rufai je ne te le permets pas. Euh, Alaji, hmm. ah, ah, ah, Mohamed Souleymane, votre avis sur une probable sortie de crise rapidement ben, Franchement, c'est que le SNEX risque gros parce que euh, disons de une seconde lecture de la loi par le président, il n'est pas obligé de le faire. Et je pense que la loi va s'appliquer à eux de savoir comment s'arranger. Vous savez, il y a déjà, par exemple, un second syndicat qui continue à faire des au niveau de. Il y a aussi le contingent, leurs victimes, des anciens chercheurs qui sont diplômés souvent dans des, grandes universités. Quand ils viennent ici, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne vas pas être recruté. Tout cela, c'est des tares euh, en tout cas de, de, de, franchement c'est comme une secte quoi pour intégrer c'est pas normal donc il va falloir qu'effectivement l'État s'assume véritablement pour mettre l'ordre à l'université de Niamey voilà nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou merci à nos invités Hussein Issa journaliste indépendant Alhaji Mohamed Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter et Rufai Dandoua journaliste sportif merci à vous tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou rendez-vous samedi 17h15 avec Maman Ada pour le forum en Hausa et dimanche avec Balkis Hamidou pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.